La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue euh, dans cette édition de ce jeudi 18 euh, euh, avril 2024 dont voici les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Djahar est bien arrivé à Nouakchott. Il a été accueilli par le président Mohamed Ould Gazouani. Ghazouani. Le président sénégalais y effectue actuellement sa première visite officielle hors du pays depuis son élection et devrait discuter avec son homologue mauritanien, euh, notamment euh, du dossier gazier commun aux deux pays. Le syndicat national des travailleurs euh, de la Poste démentit le licenciement de 200 travailleurs de la boîte. Selon le secrétaire général Ahmed Djouf, il s'agirait plutôt de contrats à durée déterminée arrivés à terme. vous suivrez ces éclairages dans cette édition. Et puis, euh, plus de trois mois après son inauguration, pourquoi le BRT n'est toujours pas opérationnel C'est la question que se posent plusieurs euh, Sénégalais. Ils estiment que la phase test a trop duré et sont impatients de voir son impact positif sur le transport des Sénégalais. C'était là les titres, le développement, c'est dans un court instant. Merci de choisir euh, GTV pour vous informer. Comme annoncé en titre, le président Bassirou Jomai Faye euh, est arrivé euh, ce jeudi à Nouakchott pour une visite officielle au cours de laquelle il s'entretiendra avec le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le président mauritanien et les membres du gouvernement. Au cours de cette première euh, prospection hors du Sénégal, les deux parties devraient discuter du dossier gazier commun aux deux pays à travers euh, le champ d'Akim Al-Kabir euh, dont la production devrait commencer cette année. Les deux présidents échangeront sur la question de la pêche pour laquelle les deux pays disposent d'un protocole d'accord de coopération signé le 14 juillet 2023 pour une durée d'un an qui attribue à la partie sénégalaise 500 licences pour la capture de 50 000 tonnes de petits poissons pélagiques à des prix euh, nominaux. Toujours à propos de cette visite du président de la République à Nouakchott, nous avons recueilli l'avis des pêcheurs euh, qui sont certainement concernés par cette euh, visite. Dans son communiqué, euh, le Bureau d'information gouvernementale souligne que les problèmes des licences de pêche sera au menu des discussions et justement les pêcheurs de Soumbejoun interrogés sur la question se réjouissent et restent dans l'expectative. Ils sont au micro de Ndeye et euh, euh, Junior. On apprécie très bien le voyage du président à Nouakchott, car il pourra en discuter avec euh, son homologue, le président de la Mauritanie, sur les licences de pêche, qui va beaucoup nous arranger. Ah, ça va beaucoup arranger les pêcheurs de Guet qui pourront finalement pêcher librement sur les côtes mauritaniennes sans problème mais notre seul souci en est que nos jeunes qui sont restés en mer depuis et sans aucune nouvelle. On est vraiment content sur cela. On veut des licences de pêche pour pouvoir naviguer librement sans aucun problème. Oui, je pense que c'est raisonnable pour que les pêcheurs puissent travailler sans aucune contrainte. Le Sénégal, c'est le seul pays où le laisser-aller semble être une marque de fabrication. centimètre boo ko paasee ñu jàppale teg la si yoon. Juste avant son départ pour Nouakchott, le président de la République a présidé la réunion du Conseil des ministres hier mercredi. Durant la rencontre, il a donné plusieurs instructions et a indiqué que l'inspection générale d'État IGE va dresser un pré-rapport et un rapport définitif sur chaque passation de service pour plus de transparence dans la gestion des deniers publics. D'autres points phares également ont été discutés euh, au cours de ce Conseil des ministres. Le récit est ici euh, signé euh, Monsieur Jassé. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu son deuxième conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024 au Palais de la République. Le président de la République a informé le conseil qu'il poursuivra ses déplacements dans les autres cités et foyers religieuses du Sénégal en vue de prendre en compte d'une part leur modernisation en termes d'infrastructures de base et d'autre part de réaffirmer son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal juste et prospère dans la paix, la stabilité et la concordance nationale. Dans le même sillage, le chef de l'État a demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024 un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. En outre, il ordonne au-delà des audits et missions périodiques de vérification dans les ministères, l'organisation annuelle de missions de contrôle des institutions d'ordre constitutionnel. D'ores et déjà, il a instruit l'inspecteur général d'État de mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République dans les meilleurs délais. À cela, il faut ajouter la publication des rapports de 2020 à 2023 de l'OFNAC. Au titre de son engagement diplomatique, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il effectuera sa première visite hors du Sénégal en République islamique sœur de Mauritanie le jeudi 18 avril 2024 avant de se rendre en République sœur de Gambie le samedi 20 avril 2024. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Premier ministre annonce la tenue d'un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril 2024. Le président de la République a ainsi donné un chapelet d'instruction au euh, Premier euh, ministre ainsi qu'à son gouvernement qui euh, sans doute devra les occuper. Mais une remarque, le Conseil des ministres s'est déroulé sans aucune nomination. D'après Si Albert, l'analyste politique, le président Wassirou Faye attend probablement l'installation des ministères pour pouvoir procéder aux nominations suivant euh, son analyse au micro de Delayjai. Effectivement, le Conseil des ministres euh, n'a pas nommé. Euh, traditionnellement, après chaque Conseil des ministres, il y a des nominations. Pour ce qui concerne ce, dernier Conseil des ministres, je crois que s'il n'y a pas eu de nomination, le président de la République et le chef du gouvernement attendent que les ministères s'installe. Il faut d'abord que chaque ministère s'installe, que chaque ministère voit son organigramme et après la mise en place des, ministères, des structures, chaque ministère va être régi par euh, une répartition des services qui, est fixée par décret présidentiel. Donc nécessairement, il faut terminer la mise en place des ministères. C'est après quoi que chaque ministre, s'il a besoin par exemple d'un poste, bah, c'est le ministre qui va proposer au, Premier ministre des nominations. Et une fois que les nominations sont validées au niveau de, la primature, c'est le Premier ministre qui va soumettre ces nominations au niveau du président de la République, le président qui introduit les nominations au niveau du Conseil des ministres. C'est comme ça la procédure. Je crois qu'il y a un temps un temps euh, de mise en place donc, des ministères qui explique qu'il n'y a pas eu de nomination, à part euh, justement les nominations du président de la République. Il a nommé son cabinet, il a nommé le secrétaire général, euh, le Premier ministre va faire la même chose, les ministres vont suivre. C'est comme ça la, la procédure. Je crois que L'information reprise par euh, plusieurs euh, médias sur le licenciement de 200 travailleurs de la Poste ne serait pas avérée si l'on se fie euh, à Ahmed Djouf, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la Poste. En effet, à l'en croire, aucun travailleur n'a été licencié. Il s'agirait plutôt de contrats à durée déterminée arrivés à terme que la Poste n'a pas pour le moment euh, les moyens de renouveler. Euh, selon Ahmed Diouf, ceci euh, est plutôt une solution pour faire face aux difficultés financières du groupe La Poste. Amsatougano et Boubacar Diagne ont recueilli ces propos. C'est une information qui est fausse. En réalité, la Poste traverse une crise sans précédent depuis quelques années. Et pour votre information, la Poste a un effectif de plus de 4000 employés avec une masse salaire annuelle de plus de 18 milliards. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des travailleurs qui étaient en contrat à durée déterminée, des CDD, qui ont vu leur contrat arriver à terme. D'abord, en, en, décembre 2023, il y avait 300 CDD qui ont vu leur contrat arriver à terme, qui n'a pas été renouvelé. Et en 2024, il y avait 200 travailleurs aussi euh, qui, ont vu leur contrat arriver à terme. Ces contrats n'ont pas été renouvelés et l'explication que la direction générale nous a servi, c'est que euh, c'est la situation de l'entreprise qui fait qu'on ne pouvait pas euh, continuer à, augmenter la masse salariale. Il fallait essayer d'équilibrer et d'éviter donc cette situation qui, est devenue insoutenable, donc la masse salariale au niveau de la poste je pense qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la direction générale et les organisations syndicales. Et dans ce protocole, euh, il a été bien, euh, en tout cas, signifié qu'il y a des travailleurs qui. Euh, parce que pour votre information, c'est des départs volontaires, ce n'est pas des licenciements. Donc la direction générale avait fait une proposition aux organisations syndicales de discuter pour voir comment faire pour diminuer donc, la masse salariale on s'est dit que, voilà, euh, la direction nous a proposé donc un plan de départ volontaire. Nous avons ouvert les négociations. Nous avons négocié pendant plus de quatre semaines. Et après, on a signé un protocole d'accord pour les gens qui souhaitent partir, euh, puissent partir dans de très bonnes conditions. Le groupe euh, La Poste qui traverse donc une crise depuis euh, cinq ans, euh, à en croire Famara Ibrahima Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actifs. Le problème de cette boîte résulte d'un recrutement abusif et d'énormes difficultés se sont invités au sein de cette institution financière, suivant les propos de Famara Ibrahima Sissé au micro d'Amsatou. Vous savez, euh, la problématique euh, de la poste est extrêmement complexe, d'autant plus qu'il s'agit d'un recrutement abusif orchestré par des directeurs généraux identifiables que la loi pourrait tout simplement appréhender. Euh, la poste a été victime d'un sabotage organisé pendant plusieurs années un recrutement basé sur le copinage, la partisanerie et la satisfaction d'un certain clientélisme politique qui a fait qu'aujourd'hui, la Poste est dans des difficultés énormes. Euh, ils ont dit qu'ils vont relancer les activités de la Poste. Autrement dit, qu'ils vont diminuer le personnel par des licenciements, par des départs volontaires pour relancer les activités de la Poste. L'AXIF a fait des propositions à la direction générale de la Poste. L'AXIF a fait des propositions à l'ARTP et à tous les régulateurs de la Poste pour leur dire que cette méthode n'est pas payante. Il s'agit d'abord de mettre en place un dispositif de bonne gouvernance et de veille à la malgouvernance. Il s'agit aussi d'opérer et d'utiliser l'excès de la finance, notamment le capital, la crédibilité et la confiance. Il s'agit aussi de diversifier, après la capitalisation de la poste, les services de la poste. Parce que la poste doit innover avec les innovations technologiques. Cela lui permettra de diversifier produits, de gagner la confiance des usagers des offres euh, financières et aussi cela va lui permettre de conserver même son personnel parce que ce personnel-là en réalité n'est pas de trop mais c'est un personnel qu'on peut réutiliser par des redéploiements À présent, nous parlons de la chaleur intense et de la poussière annoncée euh, par euh, l'ANASIM pour les prochains jours euh, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des populations. C'est en tout cas ce que nous explique euh, Docteur Konaté, médecin généraliste. Il a énuméré les, différents les différentes affections qui pourraient en résulter. Euh, il invite ainsi à beaucoup de prudence et euh, propose quelques précautions pour échapper à certains ennuis probables de santé. Il s'est exprimé au micro d'Aïsatouba par rapport au changement climatique annoncé par la météo, par rapport également à la poussière qui tombe ces temps-ci. Et elle est pourvoyeur de beaucoup de c'est les coups de chaleur. Les coups de chaleur surtout chez les personnes âgées et les nourrissons. Donc, euh, ce sont les populations à surveiller surtout. Euh, la deuxième conséquence euh, de ce changement climatique, ça peut être une déshydratation avec ses complications. Donc, ces complications qui peuvent également aller du collapsus jusqu'au décès donc de l'individu. Et ça, ça peut se voir à tout âge, mais euh, les âges les plus exposés, ce sont les âges euh, limites, les personnes âgées et les euh, nourrissons. Qu'on peut faire euh, à notre niveau, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle une prévention, une prévention primaire, en demandant déjà aux individus de boire beaucoup d'eau Hein, que vous ayez soif, que vous n'ayez pas soif, surtout les personnes âgées. Donc, euh, il faut boire abondamment. Ça peut éviter donc l'apparition de déshydratation ou bien de coups de chaleur. Maintenant, pour euh, les problèmes respiratoires et autres, euh, c'est le port de masque. C'est le port de masque, surtout quand on est est donc euh, à l'extérieur. Et en cas de crise, euh, que les gens ne fassent pas les apprentis sorciers, amener les, sujets chez les professionnels de la santé. Donc, euh, de ce fait, on pourra donc prévenir donc certaines complications. Inauguré officiellement le 14 janvier 2024 par le président Macky Sall, le BRT est toujours en phase test. Le démarrage du transport des personnes n'est toujours pas effectif. Une lenteur que la plupart des Sénégalais rencontrés euh, trouvent incompréhensible. De même, ils estiment que le BRT devrait euh, participer à faciliter le déplacement des Dakarois, mais il crée plutôt, en tout cas pour le moment, des embouteillages au niveau des feux de signalisation se trouvant sur son itinéraire. Ils se sont exprimés dans ce micro-trottoir signé Darofal. Le BRT, a priori, c'est une bonne chose. Il peut faciliter la circulation de la population, mais c'est va-et-vient qu'il effectue chaque jour depuis quelques mois sans transporter personne est une perte. Je ne sais pas s'il consomme de l'énergie comme de l'essence, de l'électricité ou le solaire, mais c'est du gaspillage. Nous prions Dieu pour qu'il commence en paix nous, les Sénégalais, on doit être un peu patient. Euh, ce retard noté pour le démarrage, je pense que c'est à cause du changement de régime. Donc, je le rappelle encore, je pense qu'on doit être un peu patient et il démarrera quand il sera prêt. sama ñaan rek mu daw nous les taximans, le début du fonctionnement euh, du BRT va nous causer beaucoup de problèmes, puisque cette taxe dakar nous permet de gagner beaucoup d'argent. Mais le BRT reste une avancée pour euh, le transport ici au Sénégal. Donc c'est une bonne chose pour la population rond point moi je déplore les embouteillages causés par le BRT. au passage il bloque souvent la circulation et il ne transporte personne à chaque fois qu'il arrive au niveau d'un rond-point ou des feux rouges tous les voitures s'arrêtent pour lui céder le passage donc je pense que les feux qui sont là devraient aider les voitures et les personnes pour la circulation, mais c'est les policiers et des gendarmes qui se pointent là-bas pour bloquer les gens à l'arrivée du BRT. Donc, je pense que le BRT ne fait que ralentir et bloquer la circulation. Et nous ouvrons la page internationale de cette édition. Nous en parlions tout à l'heure, cette vague de chaleur à Dakar ou au Sénégal, euh, apparemment euh, à l'international également, euh, le Mali le Burkina ont connu une vague de chaleur exceptionnelle, autant par sa durée que par son intensité, avec des températures supérieures à 45 degrés, à l'origine de nombreux euh, décès d'ailleurs dans ces pays, d'après une étude publiée ce jeudi 18 avril par le réseau World Weather Attribution. Cette vague de chaleur est liée au changement climatique d'origine humaine. Les détails avec que Touba les vagues de chaleur sont fréquentes au Sahel en cette période de l'année, mais celle qui a duré du 1er au 5 avril aurait été plus fraîche, de 1,4 degrés Celsius. Les scientifiques estiment qu'une telle vague de chaleur au Mali et au Burkina Faso serait 1 degré Celsius plus chaude de 0,8 degrés et se produirait 10 fois plus fréquemment que dans le climat actuel si le réchauffement de la planète atteint 2 degrés Celsius la durée et la gravité de cette vague de chaleur avec des températures supérieures à 45 degrés a provoqué une augmentation des décès et hospitalisations enregistrées dans ces pays. Selon World US Attribution, et ce même si les populations maliennes et burkinabées sont acclimatées à des températures élevées, s'il est possible de dénombrer précisément les victimes à raison du manque des données disponibles dans les pays concernés. Il est probable qu'il y ait eu des centaines, voire des milliers d'autres décès liés à la chaleur, indique Ways Attribution. Depuis les années 1970, les pays du Sahel sont confrontés à la sécheresse ainsi qu'à des épisodes de pluie intense à partir des années de 1990. La raréfaction des points d'eau et des pâturages, accentuée par le développement des terres agricoles, a bouleversé l'existence des populations pastorales et favorisé l'émergence de groupes armés qui ont étendu leur emprise sur de vastes pans de territoire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous restons d'ailleurs au Burkina Faso où trois diplomates français, euh, dont deux conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés persona non grata sur le territoire burkinabé pour des activités subversives. L'annonce a été euh, faite par le ministère des Affaires étrangères du pays dans un courrier daté du 16 euh, avril 2024. Les détails avec Abdoulaye. Au Burkina Faso, trois diplomates français expulsés pour activités subversives. Dans un communiqué daté du 16 avril, le ministère burkinabé des Affaires étrangères déclare ces diplomates, dont deux conseillers politiques persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. On ne connaît pas encore les détails de ce qui leur est reproché. Ces trois personnes ont mené ces derniers temps un travail classique de diplomates en rencontrant notamment des organisations de la société civile, des influenceurs, des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise Selon les informations de RFI, des rencontres auraient également été organisées avec des médias burkinabés, des médias qui, selon une source, n'étaient pas dans la droite ligne de la junte, tout comme les organisations de la société civile rencontrées. Les autorités en auraient-elles pris ombrage C'est ce qui se murmure côté français. Les trois diplomates sont depuis mardi déclarés persona non grata dans le pays. Elles ont 48 heures pour quitter le territoire, mais selon nos informations, l'une des trois personnes mises en cause est déjà euh, depuis plusieurs jours. La France a officiellement réagi ce jeudi à la mi-journée à cette expulsion via le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoine. La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français, dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de nos agents, déclare-t-il. Cette expulsion ne devrait pas arranger les relations entre Ouagadougou et Paris, déjà très dégradées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en septembre 2022, un acte d'hostilité alors que quatre fonctionnaires français sont toujours en résidence surveillée dans le pays et ce depuis plus de quatre mois. Ces derniers, présentés par les autorités burkinabées comme des agents de renseignement, avaient été arrêtés le 1er décembre 2023 puis mis en examen et incarcérés. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Passez une excellente suite de soirée en compagnie des programmes de la GTV. Bonsoir.